Auditrice et auditeurs à studio Kalangou, bonjour et bienvenue au rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Mariam avec Marouk et Abdelrahman. Bonjour, qui en forme ce matin Je vais très bien, Mariam, Dieu merci. Super alors au menu d'aujourd'hui les rubriques habituelles, le flash d'information de la bonne musique nigérienne, du loti, la rubrique hebdomadaire et l'écho des régions. Et l'entretien d'aujourd'hui s'intéresse aux défis des jeunes de la région de Zender et c'est Zara Boukar qui a interrogé Ismaël Hami Mohamed Rabiou, le premier vice-président du Conseil des jeunes de Zender. L'édition est assurée par Moussa San et Seine Isaka à la technique. Nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Nafisa de Moussirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, a accordé hier des entretiens exclusifs en langue Hausa, Zarma et français à la radio et télévision nationale. Plusieurs points ont été abordés par le président Chani. On peut citer entre autres la question sécuritaire et de la souveraineté du pays. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions d'information du soir. La société de raffinage de Zender Soraz, dans un communiqué publié hier 25 décembre, rejette les accusations portées contre elle face aux récentes perturbations de l'approvisionnement en super-essence absorbée à Niamey et dans certaines localités du pays. La Soraz affirme que sa raffinerie fonctionne normalement sans interruption et continue de fournir l'intégralité de la production à, à la société nigérienne des productions pétrolières Sonidep. Enfin, au cinquième jour des compétitions, compétition entrant dans le cadre du Sabre national d'Osso 2024. Hier 25 décembre, l'un des plus grands prétendants au Sabre de la région de Maradi, Eibou Hassan, a été terrassé par le champion en titre Isaka Isaka de Dosso. Au total, à l'issue de cette cinquième journée, 12 lutteurs sont en lice pour la course au Sabre, dont un pour Agadez, un pour Difa, deux pour chacune des régions de Dosso, Maradi, Niamey, Tawa et Tilaberi. Fin de ce flash d'information. Merci Nafisa pour le Flash et chers auditeurs, pour rappel, l'entretien d'aujourd'hui s'intéresse aux défis des jeunes de la région de Zender. Mais avant, nous allons savourer la première musique de notre playlist du jour avec les titres Katako d'état national. nationale est une formation musicale du Niger. Elle regroupe plusieurs chanteurs et instrumentalistes et c'est en 2000 que la bande fait son apparition sur la scène musicale nigérienne. chanson que nous sommes en train d'écouter était principalement chantée par Fema Dougou qui avait déjà quitté le groupe avant son décès. guitare de Almeida et c'était le titre Catago de Tal National. Retour au studio pour notre entretien du jour. En effet, Ruki, de la première partie, le premier vice-président du Conseil de la jeunesse des Anders explique comment la jeunesse des Anders fait-elle face à ses difficultés et quelles en sont ses aspirations. Ismaël Hamay Mamad Rabi au micro des Arboukars. Le Conseil, c'est une euh, institution de l'État qui a été créée par euh, décret du président de la République. Ce Conseil existe euh, au niveau de tous les échelons, du niveau national au niveau régional, au niveau départemental jusqu'au niveau communal. Et même la mise en place, elle a été faite de la base jusqu'au sommet. Le conseil a un mandat de deux ans. Déjà, nous sommes dans notre deuxième année de, gestion, Alors, quelles sont vos missions C'est d'abord de représenter euh, tous les jeunes au niveau de toutes les instances de prise de décision. Quand il y a aussi des assises, des instances où, en tout cas, la voix de la jeunesse doit se sentir, c'est également l'organe dirigeant qui représente donc la jeunesse. Et le conseil se met au devant aussi par rapport à toutes les préoccupations de la jeunesse. Comment décrire euh, la jeunesse des Andes euh, la jeunesse de Zender, je dirais que c'est une jeunesse euh, qui fait face à tous les problèmes auxquels la jeunesse nigérienne fait face aujourd'hui. C'est une jeunesse qui est sous-employée, qui fait face à cette problématique du chômage, mais c'est aussi une jeunesse résiliente par rapport à tous ces problèmes que je viens d'évoquer. Imaginez comment aujourd'hui la problématique du chômage et du sous-emploi euh, guette la jeunesse nigérienne, mais malgré, en tout cas, il y a des jeunes qui essaient de se débrouiller pour quand même euh, essayer de trouver une solution à leur, à leur situation. En tout cas, je dirais que c'est une jeunesse qui fait face à tous les problèmes qui concernent la jeunesse nigérienne dans son ensemble, mais elle fait preuve également d'une résilience qui est en tout cas hors du commun. Comment ils font euh, preuve de cette résilience euh, concrètement C'est par rapport à tous ces secteurs d'activité qui sont un peu abandonnés, auxquels aujourd'hui on voit la jeunesse en train de revenir, notamment le secteur informel. En tout cas, on sent un certain développement de ce secteur-là ici au niveau de la région. Et en plus de ça, aujourd'hui, la jeunesse aussi est en train d'embrasser le monde entrepreneurial, ce qui n'était pas le cas par le passé. Vous savez, cette question de l'entrepreneuriat, c'est vrai, elle n'existe dans aucune culture dans nos différentes communautés. Et cette question entrepreneuriale, elle n'est pas enseignée même à l'école, même dans le monde professionnel, mhm. la question de l'entrepreneuriat n'est pas prise en compte. Mais malgré toutes ces difficultés, on voit qu'aujourd'hui la jeunesse nigérienne, face à cette problématique du chômage, est de plus en plus en train de prendre conscience de la, de la nécessité qu'elle puisse s'impliquer pour euh, ensemble développer même le secteur informel, mhm. le secteur privé, puisque c'est de cette manière que nous pouvons en tout cas réduire les effets de cette problématique du chômage mhm. et ensemble contribuer à l'épanouissement économique de notre pays. Alors quels sont les problèmes rencontrés par les jeunes aujourd'hui, particulièrement ceux des Inders Alors particulièrement ceux des Inders, c'est principalement en tout cas cette question du chômage et du sous-emploi. C'est la principale problématique qui mine aujourd'hui la jeunesse au, niveau des Andes. Il faut le rappeler que ils sont 500 000 jeunes hein, qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année selon les chiffres de l'Institut national des statistiques. Et on a plus de 50 000 diplômés qui sortent chaque année des universités publiques et privées, des instituts et des grandes écoles. Vous voyez que le défi est vraiment énorme et tous ces chiffres, face à une offre d'emploi qui ne couvre qu'à peine 2% selon, selon le même institut l'INS. Vous voyez que c'est une problématique assez majeure qui peut justifier même quelque part les autres problèmes auxquels la jeunesse nigérienne fait face aujourd'hui, tout ce qui concerne la criminalité urbaine, la consommation des stupéfiants, en tout cas tous les conflits auxquels la jeunesse nigérienne fait face qui peuvent s'expliquer du fait de cette problématique majeure, donc le chômage et le sous-emploi des jeunes. Euh, secondo, il y a euh, le faible niveau d'éducation et de formation des jeunes, de par le système éducatif nigérien qui ne garantit pas en tout cas une formation de, qualité. Ça, c'est la première des choses. Secondo, qui produit en tout cas euh, des résultats qui ne concorde pas avec le marché de l'emploi aujourd'hui au Niger. On est en train de former d'autres domaines qui ne sont pas en réalité un besoin de notre pays. Or, logiquement, le système éducatif nigérien, en tout cas jusqu'à l'université, les filières d'enseignement doivent quand même prendre en compte les besoins de notre pays. Et c'est pourquoi nous, nous avions toujours même suggéré que nous puissions aller vers le développement des compétences. On n'est pas obligé de rester dans ce système classique qui datent des décennies ou même des siècles. On passe 6 ans au niveau primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée. 13 ans, ça c'est le cycle normal avant de commencer les études supérieures. Et même pour les études supérieures, tu finis, tu obtiens ta licence en 5 ans en moyenne. Finir de décrocher ton master, peut-être tu vas passer 10 ans à l'université et pour devenir chômeur à la fin. Nous estimons que c'est très triste, c'est pas réfléchi en fait. C'est vraiment pas réfléchi. Nous estimons qu'il faut aller vers le développement de compétences. Qu'appelle-t-on développement de compétences C'est qu'à partir déjà de la classe du CM2, que l'on puisse initier l'élève dans un domaine spécifique d'études. On peut former dans tous les domaines. C'était la première partie de l'entretien du jour et faisons un autre tour en musique avec le titre d'Adaïoumé du groupe Mamarkase. no kantogale dalunule yonaga kwene tasaga kane yowanga gana yowanga gane yowanga bona umboga sintilla layo What a baby, Le groupe Mamarkassé est fondé par euh, Yakuba Moumouni, chanteur et flûtiste. Euh, Moumouni était berger durant son enfance, puis quitta sa famille à la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey où il exerce le métier de boy et la chanteuse Hamsatou Dante qui lui enseigne la musique. En qualité de flûtiste, Yakuba Moumouni entre en centre de formation et de promotion musicale CFPM en 1990 et se produit avec leur formation l'orchestre Takeda dirigé par Abdullah Al-Hassan. Il fonde Mamarkase en 1995. Le groupe porte le nom d'un guerrier légendaire de l'Empire Sorai. Dans cette chanson, il fait les éloges de ses cousins Touareg. man. musical poursuivant notre entretien du jour. Et dans cette seconde partie de cet entretien, le premier vice-président du Conseil de la jeunesse des Andera lance un appel vibrant aux autorités nationales pour la prise en charge des difficultés que vit la jeunesse, particulièrement celle de Zandera. Ismaël Hamay Mamandrabiou est toujours au micro de Zara Boukar. Et il faut aussi valoriser encore le secteur professionnel. Moi, j'estime que c'est de cette manière que nous pouvons prendre en compte d'abord les besoins de notre population. Aujourd'hui, c'est même quelque part honteux de voir même par rapport à certains métiers, il faut que nous puissions faire venir des, étrangers, des gens qui viennent du Nigeria, des gens qui viennent du Bénin, pour quelques petits travaux que nous pouvons faire. On a quand même les, les, personnes, les ressources humaines, mais seulement c'est cette, en tout cas, éducation, cette formation pour que nous puissions nous-mêmes répondre aux besoins n'est-ce pas, de nos différentes communautés qui fait défaut. Alors, euh, quelles sont les aspirations de ces jeunes dont vous avez la responsabilité de diriger en cette ère de, de fondation Les aspirations de, de la jeunesse, c'est d'abord qu'elle soit émancipée. Une jeunesse euh, donc émancipée euh, dans une république qui prend en compte vraiment ses besoins et ses différentes préoccupations. Et prendre en compte les, les préoccupations des, des jeunes c'est vraiment apporter des réponses euh, favorables, des réponses idoines à tout ce qu'il est en train de traverser comme euh, difficulté. Euh, l'autre aspiration, c'est vraiment ce changement de mentalité que nous sommes en train de chanter toujours. Que vraiment, toutes les différentes couches socio-professionnelles doivent œuvrer pour qu'il y ait ce changement de mentalité au niveau de tous les citoyens nigériens d'ailleurs parce qu'il nous faut euh, quand même ce changement de mentalité pour que vraiment nous puissions en tout cas construire euh, de manière solide, n'est-ce pas, cette, euh, cette nation. L'autre aspiration des jeunes, c'est de, ne plus les sous-estimer, parce qu'aujourd'hui, on comprend aussi une quelconque réticence par rapport même à la participation des jeunes à des instances de prise de décision, à des, même des simples activités. quelque part, c'est un problème qui est un peu culturel à mon avis, en tout cas de notre nation, il y a toujours cette faible tolérance de la participation, n'est-ce pas, des jeunes à des activités, à des instances de prise de décision. Ils sont toujours eh, minimisés. On pense que les jeunes ne peuvent pas. On pense que les jeunes sont sous-qualifiés, tout ça là. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire leurs preuves. Il y a des jeunes à qui, quand vous confiez une quelconque responsabilité, ils vont l'accomplir avec brio, et vous allez les acclamer par, à la fin. Moi, j'estime que les jeunes, ils ont besoin d'être plus encadrés. Ils ont besoin aussi d'être intégrés, n'est-ce pas C'est dans ce sens même que nous pouvons euh, véritablement rendre concret ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Donc, entre les jeunes et les aînés, on doit quand même rapprocher les jeunes, les intégrer, les initier. Et c'est de cette manière que nous pouvons construire une relève assez forte qui, en tout cas, en espérant que les décennies à venir, c'est à eux, en tout cas ces jeunes-là, de diriger ce pays, quoi qu'on le veut, euh, quoi qu'on va dire, en tout cas, ces jeunes-là sont la relève. Et donc, on a intérêt tous à construire cette relève pour que le pays-là euh, puisse en profiter de ces jeunes-là qui constituent en tout cas la colonne vertébrale de tout développement d'un pays. Quels sont vos souhaits à la fin, à l'endroit des nouvelles autorités du Niger Alors, à l'endroit des nouvelles autorités du Niger, c'est d'avoir en tout cas un regardant par rapport aux situations des jeunes, même par rapport euh, à leur implication. Vraiment, euh, nous souhaitons que les organes qui seront mis en place euh, très bientôt après donc les assises nationales que vraiment les jeunes puissent se retrouver dans ces différentes instances que l'on ne puisse plus dire en tout cas que que les jeunes nigériens ne peuvent pas euh, ces jeunes-là, ils constituent aujourd'hui l'écrasante majorité de la population. Selon les derniers chiffres, les jeunes représentent plus de 71% de la, population nigérienne. Ces jeunes-là doivent être associés pour qu'ils puissent également contribuer dans la gestion de, ce pays-là. Mhm. Et secondo, en tout cas, euh, on doit aussi avoir un regardant par rapport à ces jeunes qui sont en milieu rural. Vous savez, le plus souvent, quand on parle de la question des jeunes, on a tendance à les oublier. Or, il constituent, en tout cas, l'écrasante majorité de la jeunesse leurs préoccupations doivent également, en tout cas, euh, avoir un œil regardant de la part de nos, de nos autorités. Nous saluons de passage ce projet de grande irrigation initié en tout cas par le CNSP et le gouvernement de transition. Nous estimons que c'est un bon projet qui permettra à terme de maintenir un certain nombre de jeunes, en tout cas et selon les chiffres de, de l'ONAHA, 2 millions de jeunes seront retenus dans ce grand projet de, grande irrigation. Nous estimons que c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre quand même d'éviter tous les autres euh, fléaux qui sont liés à, à, ce manque de rétention des jeunes de l'agriculture, la mm. question de migration clandestine, euh, vous voyez l'exode rural, tout ça là, avec son corollaire de problèmes aussi. Donc, en tout cas, c'est là où vraiment nous attendons les autorités du CNSP. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et de notre rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite de nombreuses préoccupations chez les parents. Quel est l'âge idéal pour offrir un téléphone portable à un enfant Ousmane Mahmoudou, responsable du desk numérique et rédacteur en chef adjoint du studio Kalangou, nous éclaire sur le sujet. Le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Euh, si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos, jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés, cela peut être euh, très différent de donner un accès euh, Internet à un enfant non surveillé. Donc, euh, pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie euh, d'amis et d'adultes de confiance donc euh, ou avec d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade de la vie de l'enfant donc mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès Internet selon vous Selon le professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter moins moyen de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en sixième. Et euh, une fois euh, que les enfants ont un téléphone, Comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent euh, vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques euh, sans dramatiser, évidemment, sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant, euh, lui dire qu'il peut venir avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir des règles sur les appels applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité euh, qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants Avant tout, le professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. Une supervision parentale peut être euh, justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ses messages et toutes ses interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, euh, géocaliser son enfant, est-ce une bonne idée Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Euh, donc, certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc, la question euh, qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc, c'est deux choses différentes il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante. Elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. Après la rubrique hebdomadaire, faisons une pause musicale avec les titres Dunia du groupe Boriband. Band. Baby. le titre Dunia du groupe Bori Band. J'espère que vous avez aimé. Et direction Dogandouki pour le reportage des régions où plusieurs écoles souffrent de manque de tables bancs. Ce qui oblige les élèves à prendre le cours à sur des notes ou même au sol. Voici le reportage d'Ablaziz Dayuma sur le sujet. wannan zama na makaranta ana lura da shi a cikin makarantun boko na matsalar dai ba ta ba yara damar koyon karatu cikin tsanaki kamar yadda za ku ji daga bakin inspector jeji daɗi salifu shugaban ma'aikatar ilimin firamare ta dogon duci ta biyu in ana neman a ƙara hazaƙa yara bisa ga neman ilimi ya danganci abubuwa da yawa amma kuma su wurin zama yana ɗaya ga abubuwan da ya kamata a samar ma yara in ana so a samu ilimi ingantacce in babu wurin zama na kwarai to aiki bayin kyau kuma inspection inmu yawancin lokaci yara hudu zuwa biyar suke zama bisa tabla kenan kaga babu wani aiki wanda za a yi na kwarai nan eh, in ka diba cikin kalasoshi za ka ga wani lokaci yara ba su rubutu ma da kyau dangance da wannan matsala su ma ƙungiyoyin uwayen 'yan makaranta suna tsokaci sosai da kautan ma shugaban babbar ƙungiya ta uwayen 'yan makarantar firamare ta kominikin dogon duci ya yi kira ga gwamnati da ƙungiyoyi amina arziki da su ka ɗauki ga makarantun nan boko domin sa 'yan makaranta cikin mahalli na ƙwarai na koyon karatu. Muna son a samu wasu ƙungiyoyi wanda za su rika taimaka ma lakwaloli saboda kowa ya sani Nijar akwai matsala ta tabuloli ba tabuloli kaɗai ba har da ginoni akwai elebu da yawa sai ka je ka iske lakwal a yara duka ga ƙasa ne suke muna ganin duka wata ONG wadda take tana zan tallahi muna roƙonsu su tallafa ma eh, lakwaloli saboda gaskiya akwai matsala za ku iske lakwal mai wajen kalas goma yara ga ƙasa ne suke ba zancen tabul ba ko tabarmi ba su cikin raira ne suke ya za a yi koyan karatu zamne yaya za a koyan rubutu daga zamne bisa ƙawahu kuma a ce ana son a yi yara su yi koyan karatu mai kyau a bisa tabul ma yara yaya suka ida yanzu bale ga ƙasa duk da ƙoƙarin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi ta wannan fanni Hari yanzu akwai ga kyautata yanayi na karatun boko. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'ère à 10 nous sommes avec Hasumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Ruki. Bonjour. Alors à Grouza, les national a pris mais depuis quelques jours à Bamako, au Mali, pour le match retour des éliminatoires du champ. Oui, Myriam, les poulains du sélectionneur national Haruna Doula vont affronter demain vendredi, plaise à Dieu, euh, au stade de 26 mars de Bamako, les éperviers euh, du Togo à 17h de Niamey. Au match euh, aller, vous vous rappelez, joué au stade de Kigué de Lomé les Nigériens ont tenu les Togolais en échec sur le score nul d'un but partout. Le MENA national a une chance hein, de se qualifier avec un match nul seulement zéro but partout. Et nous allons parler de la 45e édition du Sabre national qui se joue actuellement de l'arène Salma Derrani de Dosso pour parler des changements au niveau de la lutte. Oui, euh, effectivement, nous allons accueillir à l'arène

Elle a surtout été marquée par la l'un des grands géants de la lutte traditionnelle nigérienne. Il s'agit bien sûr de Aïbo Hassan, de est raté par le sceptique roi des arènes, Fadil Abdikita après une prise surprenante de la jambe gauche d'Aïbo, le lutteur de Dessau l'a fait mordre le sable à moins de 4 minutes. Autre système vaincu lors de cette para hacer to stop de Nacional de celle d'Amin Ibrahim de Tawa, neutralisée par Adamo Abdou, le seul invaincu de la région d'Agadez. Refusant ainsi les invaincus de Tawa de 3 à 2. À l'issue de ce tournoi de mercredi 25 décembre, il n'y aurait plus que 12 lutteurs invaincus et tout est arrivé ici la fin de l'an. Première phase éliminatoire, cest à le vendredi 27 décembre. Présentement, Grouda, on assiste au deuxième combat de la opposant l'ADN de Maradi. Et déjà, les deux ministères, un de l'ADN et un de Maradi pour la Et voilà Merci beaucoup. Alors, merci Salamatou Kadri. Restons toujours à Dosso pour euh, parler également euh, des changements au sein de cette lutte traditionnelle qui se déroule actuellement à Dosso. elle, Salamotou a tendu son micro à deux anciens lutteurs qui ont marqué l'histoire du sport roi au Niger. Maman Bachir Amidou de Tilaberi et Barmoulali de Niami. Écoutons-les. ta yanzu dokoki sun kai mata yawa to kuma dokokin yanzu a karance suke kenan da dan kokowa kokowa keta ce in ka samu neman na haka ka kada yanzu ku akwai dokar da ta hana in kai keta a tsaida ka albitir ya busa ya gaya ma ka kai haka albitir kin da ba irin na yanzu ne da sai a ɗauko wanda bai san ba komi cikin albitir kamar ba rubuce ba shi albitir yanzu ko a rubuce na a lokacin da muke yin kokowa da wannan na yanzu ba ɗaya ne ba tun da da kokowa da muke yi lokacin nan babu wani ba da kayuka na banza da yohi don ka haɗi kashe ka gurhana ka ba wani kayi to yanzu kokowa ta zamanin kinga sai ya to ma bar sai a ce sai an saye kayuka na gani na tunda ko bara daya waɗansu jiha wata jiha sai da ta sai kayuka ga waɗansu da a tsere waɗansu da kalasuma amma mu a luwan zamanin mu babu zancen ka ba da kaye don a baka kuɗi amma yanzu yaren yanzu suna yin abin su daga ɓoye ne ba ɗaya ne ba bisa garin Voilà, c'était la euh, deux euh, ténors euh, du sport roi au Niger, Maman Bachir Amidou de Tilaberi et Barmou Lalé de Niamey au micro de Salamatou Kadri. Voilà, les dames. Pour l'espoir. Merci bien, Gourouza. Après l'espoir, nous enchaînons avec la rubrique portrait Ruki. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Hereta. Bokor Lemine, la chargée de justice de l'association, d'une association de Indjindjimi. L'association DAFO, qui veut dire cohésion en Toubou, est une association des jeunes qui militent pour la paix et la cohésion sociale entre les communautés, notamment les jeunes Toubou. ayyukan da muna yi kamar mutane in suka samu matsala za mu iya mu sassanta tsakanin su kuma muka samu baki mun san yadda za mu tarbe su kuma a kungiyar namu kowa da aikin shi ne akwai wanda suna aikin kowa akwai wanda suna aikin raba ruwa ta bangare miya ma daban ne kowa da aikin shi ne to mu kuma wannan muna nan mu ne kenan shugaban wajen ne kamar mutum in ya taka doka za mu iya mu kawo shi yanzu in na tashi na daha sha in na kawo maka a hannu gani nake in ka sha ka aji a gaban ka biyar in da na baka shayi to na baka masayi daga nan kuma baka bani masayi ba tunda ka aje shi baka cira ni baka bani ba baka kai mini ba nan ma doka ne daga shi bai ya karawa babban mutum yanzu matasa fasa gani na gabansu akan haka ma muna da hukuncin da zamu ma mutum ya gane. Kama akwai wani polisi da juji da sauransu da kuke da? Muna da, muna da polisai muna da juju kaman misali yadda kika faɗi kika ce kuna da polisai da juju idan wani ya taka doka polisan kuke turarwa a matsayin ku na shugabanni su kamo muku mutumin a kai wajen juju koya kuke idan mutum ta yi aikata laihi ko mutum ta mata laihi farko waje na ne za su zuwa in suka gaya mini hannu in cira polisai in tura wurin. kamar misali polisan a cikin ku kungiyoyin ku na matan ne kuka zaɓe su. cikin kungiyar mu ne muka zaɓa polisai sai su ta su kawo wanda ta yi laihin in na jara na musu in kansu ya zo daidai yadda nake nema za mu hukunta shi in yaki kuma kenan ni ma zan iya tura gaba a cikin kungiyar ma mako wanda ya diba gaba to kamar yanzu wani irin ci gaba kuka samu a cikin wannan kungiya naku alhamdulillah da mutum bai girmama mutum mutum in ya ga dama duk abin da ya ga dama shi zai yi amma da muka samu kungiyar namu ga na murha mu kowa yana ta yi bisan da wanga imu ya aje shi lahiya kallon mu ke wallahi yanzu ana zaman lahiya kuma kes ma muka samu akan wanga kungiyar muna ci gaba da kes imu. to kamar misali nawa nawa kuke zuba tun da kin yi batu na kes. jika bibiyu duk sati samdi kenan dokan kes ma haka muka aje shi kamar wanda ya yi iritar kuma wanda ta biyu in bai zo ba muka mishi kashirin in ta kara dawowa to in bata koma ba in ta zo sai taro za mu mata sai ta koma cin kitse a wannan harkan keskin, akwai wasu abubuwa da kuka saya da su akwai su kayan aikin nan na kungiyar namu gaba da akan kes din nan da muke zuba su tren da zamu sa tuwo wani kwab da zamu sha ruwa wani kanonin wankin hannu tukunya gaba da duk kayan aiki namu a kan kes ɗin da muka saya. Kamar misali ko nawa ne a cikin ta taku? Mun kai dare. Dukan ku misali 'yan mata ne da mata ko ya ne abin yake? Haka ne tunda muka ce haɗin kai ne. 'yan mata da mata duka wanda dai yana cikin angon namu duka babba da karami kowa ba mu rage ba don gobe manyan su tashi su fita ga ta suke 'yan mata ma in suna ganin abubuwan da muna yi su ma gobe akan abin ne za su aiki yanzu menene kiran ki ga mu don ganin sun kama muku wannan kungiya ta kuta da fau ta ci gaba su ma su zo su gani kenan kungiyar da gare mu a tallafa mana kuma su san sani da muna da kungiya a cikin angon tamu Après ce portrait, nous allons euh, pour notre dernière balade musicale et savourons ce titre Zamani de Abdoumade. cette pause musicale, la passons le du jour, Ruki. Oui, Mariam, plusieurs euh, particules pouvant engendrer des maladies euh, de toutes sortes. Euh, Samira Rafi et nous édifie sur le sujet. kok kok matini kani gorgasin matini kani hey gorgasin ninno ga hamai wallahi ai gai gafai nin fa ai mai ai sidinin kurawura yadin daino wallahi goyo daino gogai lakalai sambo amma ni wo wa tukul dai kanango kalai min ga ni gogon yuma da manti da rayan servet servet yan wal morido haikul nisin da haikul kan ni teno ni wo hmm. ai goga windo hananan dino me gorga sin ni bai kan ayo ai ba hananiya mai no si ba hananiya ai hin gane nin to hangan gama hai kan ai ba nin bai hananiyan ga bore bor mu kin ga gina nyum lokaci ka lokaci hey ko si ai nan don wani labari labari yo ni wo ni gun tele gumno wallahi gorga sin ha ai wai ganyu mai ngote handuinka ka handuinka ai kul kan te banka ga serveti da rahiya ya kul dai yanduinka ka yanduinka ne gati ma ni gin bonke don wai hmm. nangai mici ni se gwargasin gallura nirgo nan kan niji kusa go kusa din banda mu dori dori zbo biyan no gwara kan yanga hinga furu irwin daira kusa yiwo mu igin ga katila hani irwan ga hamba no se to gwargasin dai fono ni ba ai wemte wa tukul ga dikanyo maze bonkan go kan ga so wal bonkan go har mun dari bon ayya wala da gabi kan gwane te a kulu asen wadin fam bomboda ai da rai ai gi banno haifo yi cire cire ibibi zama ba di zibi ba kunno si bai ai fu hausan jaino gane kazama mai no ni banin modabal dabal hey hanganai si ni di dori dori zaidin kan go kusai din bande igtar gikyar marguno girwin dai sara ne mo ni ranim gai ni manin gine hananandi igi hinga kate dori dori zayan kanga ka kanga lamba ni wana funsaroga wala mo im kagiri da niga kagiri yan ne ya dinga hawa ni gwaci ni man mandino ame wadin seno bere na gane bor ga darai nyum girbi iye ga kwai girbi wai zama darai wo inganda furkan gai igwanda dori yan kan igi sambu iri wani yi ga wala mo dori dori zifoyen kan ir kurai ga ka kan ir sidi wallahi kan nugo ci ni cim amma yi wayan bai gone la sabu he an gan aman ban koi ne haye wa kul kan aiki ni se ighin ga ka ta ni ga ka gir ka gir foyen ni ga hamo ga imo wala mo imnan fitai ma mu ni mandu maga madalla to gorgisi ne gitan ma a sai no gwanda fita zai wa mandu maga A to, nin no ga zibai kan goni ginai ga me bai. Zama nyuma yan ga bori, kwai ne mo dinga nyuma masidir zara kan niga nyuma kan niga koy ga nyumai da kan sai gane servet inga moni kin ga nyumu hani zora ba ke follon gasa nindin hara kai wo koy ne eh aman ban koy ne hangen gama niri do bibi zaidin kan ai si babai matiki ga himan ni makokari nimi barmai ba sor hinka wali hinzano girora aga wasa aha wane bisa di ne ke fo walke inka giro ramon man ta handu kul wala haniz kulmi mama mama haifunante ya dinga ni bai kan ni bomboni sigdan kokari kulu nim do gino windo hananan di se wala ah ni ba nim ne wa zibi. ai ma dai amma wallahi niman bisa ai hananiyan ko niman bisa ai nyalawai tarai <laughs> don da bai gwada haifo kan gaddan ni kuro dinga ga dizi bau kan goni ga hamorano ngune masine ni don da ai ko ni wallahi muskoi ga ce wani alboga idin sai insha allahu mu haikul ni ce sai gwada ne kwa ni zo kan goka ni wa don din kyau ni gite walifa wadin mono kate ta ainiya to dan niya nim duga barmai Merci les filles pour vos conseils, chers auditeurs. C'était le loti offert par les filles du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot Noël avec euh, Ali Nyali Abdeloumouni et c'est la culture linguistique d'aujourd'hui. Bonjour, Bonjour Rukaya, bonjour euh, Samira. Samira ou Mariam <laughs> Mariam, autant pour moi. Merci pour la correction. Bonjour chères auditrices, euh, bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre émission culture linguistique euh, de ce jeudi 26 décembre 2024. Aujourd'hui, notre mot du jour, comme vous l'avez indiqué, est Noël. Nous sommes là pour euh, l'expliquer en full full fulfulde. Bandrabe, Barkinabe, Tinanibe, Sigilaji Studio Kalangu et Niger sur Kalangu. kori jan weti e moɗon hande Mengari gari alkamisa de congo faransire konngol meɗen nantin nantinten hande kan woni Noël. Noël o duni eɗen mbiya garki duniyaru isa almasihu tokkuɓe ɗon dudi fa hande laso e joyi lewru décembre hitane fou tokkuɓe e isa almasihu ɓe enden ni gatta batu e miccitade dimeki makko ki enden batugo enden ni nder muɗum tokkuɓe e almasihu ɓe enden ni no jaha sujudoyde du'ade nder majjum duni fa hande iɓe ñamdu iɓe gaɗa ɗum iɓe piccida himɓe duni fa hande yiɓe moƴƴono dira duni fa hannden nder majjum batugu enden duni nder muɗum ni le ɓiɓe gadno dira guro wagaji maɓɓe las o e jo lewru décembre du duni fa hannden latake hano batu fina tawa noon miccitade dimiki issa almasihu ɗo enden leydi nigér tokkuɓe issa almasihu ɓe duni fa hannden no gaɗa batugu enden ni miccitade jippinol jomirawo maɓɓe o enden bandiraɓe barkinaɓe kettinaniɓe sigilaji studio kalangu e sigilaji niger sur kalangu ɗo min daranto on sey alkamisa garowo mo Nyalento, on barkini voilà tout pour aujourd'hui merci, bien merci, bonne continuation merci bien pour cet éclaircissement chers auditeurs si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais en hausa en zarma en tamashek ou en fulfulde n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64 vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Moussa aw commençant no kanga kolkoti yanda jiya ne ah, ne sai ku sara ga hangan na studio kalan gula bare ai ga hangan gum gum gum wallahi godu bon fe kim kim kim kim gum gum lam labari da bayan kulin ga ma radio fo ba mayo ne ka da da kalan guferi ngane dubi hanga dinni hanga mu ga ma ibobo ba ka hanfo afo mu iswasi amma pray ga ko ga ma ga ji fo hinka ga ma ai wallahi wo kan ai ga ba gum gum fa hanski ne weekend e kan daga faransa te labarai iga ba dato diyan wal mardiyan ba wasu wasi zukanno da wani igi samise imo imo dugo faham da boy kan sama fans kina ta zam san ngade no yoga ba gum gum gum wa samel khadijatu wulit tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a wasna rata shewa da program wan kalangu a da shewa a samor yan gafa da da daga wadda qalana iban misisigra at kanna samwi daga an girma giya kanar maranan da iya hasil dara tana gotne ya gas daga amadal wa daga niger ma daga di dar ganin kul sai sawa da kanti hulawe ne na kana kanin ta hul hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abun da nake gani cikin program in kalangu yayi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abun ga labarun niger da labarun waje-waje muna jinsu shirye-shiryensu da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanci hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yinsu eh, abun da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yarkinsu su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kaman na yara hakan ga matasa muna son shi eh da ambiance gaida gaidawa ko eh na gaidawa hakan ga kaman ina gaida wane ina gaidawa ne wa'anda nake ga gaidawa Niger ina gaida Ici prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou, animée par Ruket Abdraman et moi-même Mariam L'édition a été assurée par Moussa Sen et la technique par Seni Isaka. N'oubliez pas nos journaux en cinq langues à partir de 17h.